des douanes par rapport à que que comme report d'élection si mu dit, mais sans doute euh, par rapport à ce que xam ne euh, enfin euh, le peuple sénégalais est à l'écoute justement du conseil constitutionnel mon nom est daal déglu mu daal exactement sa posture par rapport à ce que xam ne dit, les faits les faits nag leen kese de corruption une première fois au Sénégal exactement ñaari juge Cheikh Tidiane Koulibaly, ak ki nga xam ne Cheikh Ndiaye ay plainte daal demee allant dans sens exactement mais enfin concrètement aujourd'hui euh, normalement tey jii wane daal di war a wax ak li nga xam nekk moo di euh, askan wi wala daal di war a a wala daal di war a jël sen position soit ni ànd ak président Macky par rapport ak euh, décret bi nga xamni tam itam mujj na di abrogé wala kon day ñëw pour daal di koy fustiger daal di koy dénoncer exactement alors aujourd'hui donc les sages sont à l'écoute justement du peuple sénégalais oui mais euh, donc euh, comme li euh, tambalé comme ni ma koy faralee di di di ko waxee fii dama né le conseil constitutionnel mom la kessé kessé yone mom la kessé la may la may droit bobu mu meuna a toxal élection wala reporter élection mm. conseil constitutionnel kessé la constitution réserver ce droit là à part conseil concerne, personne n'a ce droit même mm. président de la république amul droit tey dina am dafay xaw ma nan nañ koy wooye dafay réaménager wala da koy reporter wala da koy annuler ak bu mu mënti doon yoon mayu ko parce que quand ils disent que ñoom c'est euh, comment un décret euh, de délocalisation de la date électorale temporaire loolu loolu amul loolu constitution daf ko tere loolu en 2016 Macky Sall ba muy andi référendum bi le conseil constitutionnel conseil constitutionnel c'est décret voilà cette pratique temporaire donc euh, d'aménager le calendrier voilà de jonquer le mandat présidentiel le mandat la parce que constitution le référendum de 2016 le conseil constitutionnel a refusé quand Macky Sall voulait baisser son mandat wañi mandat de 7 ans à 5 ans mais conseil constitutionnel daf ko cette pratique-là ne peut pas passer parce que la constitution monnaie mandat à son article 103 mandat ken du ko jonté hmm. ken du yoko ken du donc quand Macky a voulu faire ça en 2006 à travers ce référendum c'est pratique temporaire moi maintenant beaucoup de bëggee euh, de jël des décisions temporaires sur des faits yoo xamante une constitution moo ko mais le conseil conseil daf ko carrément aujourd'hui, le peuple est à l'écoute de ce conseil constitutionnel-là. mon cette même pratique temporaire de délocalisation de la date du soutien électoral du 25 février Même le peuple il basta. il faut que ça s'arrête ça dit que non non non il n'y a pas de cas force majeure on n'est pas en guerre on n'est pas en guerre les institutions fonctionnent normalement mais voilà nous ñoo bëgg à ce que institution fonctionne. parce que le nid d'avenir, c'est des pratiques encore manifestes hein pour que institution fonctionne parce que aujourd'hui quand les syndicats hein, de tous bords décrètent euh, euh, comme adresse une ville morte wala mm. une journée morte mm. c'est c'est à cause de mm. à cause de ce rapport élection électoral là Moi, je ma voilà wala ñoom ñoo bëgg institution yi taxaw mais au moment où, nous parlons, jusqu'à présent, aucune institution <laughs> n'est bloquée. Mm. encore une fois, c'est le Conseil constitutionnel, mon habilité à dire le droit et à faire euh, euh, valoir le droit, prévaloir le droit. Okay. aujourd'hui, le peuple est à l'écoute de ce conseil constitutionnel-là. Hmm. D'ici à quelques femmes, mon, hein, d'ici à quelques femmes, nous avons dit euh, comment adresse prononcer là-dessus. Mm. Parce que s'il y a 39 euh, euh, parlementaires qui ont déposé une requête au niveau du Conseil constitutionnel, 39 parlementaires, 39 députés ont déposé une requête, excepté le recours des candidats. Le là, ah, excusez-moi, Conseil constitutionnel, on en compte de tout ça. Euh, c'est clair enfin euh, conseil conseil mon a daal di jël wala mën a en compte de tout ça donc li nga xamné que modi les sages euh, dina leen daal di xaar léegi léegi dans quelques instants fa nga xam te itam may ko place de l'oubli aussi ñi xamal que ni fum mu toll nii da nga koy li nga xam que modi barricade par rapport ak manifestation bi nga xam te ñu fay daal ñu ko fay daal di amal ci kanam tout inshallah allah dina si daal suñu mu gën a yaatoo par rapport ak walu wuur mais alors enfin tout à l'heure yaa ko doon préciser par rapport ak ces 36 députés yi nga xam ne itam ñoo daal nga xamné que modi requête alors tey le conseil constitutionnel jàpp ngeen dafay daal dugg si sens daal di seetal deram waru kon dafay daal dugg si sensu peut-être daal di war a mën li confirmer le président Macky Sall sûrement euh, Macky Sall euh, consulté na moral de moo daal jël li décision parce qu'à travers son discours n'est le conseil constitutionnel xamal na ma que ni dafa am benn groupe parlementaire bu muy jëm wàllu corruption ak wàllu guerre. C'est ça si le convoqué li nga xamné que aux euh, collectivités territoriales aussi d'autres organisations yi nga xam ne c'est le loxo donc c'est à li le processus donc est ce que concrètement le conseil constitutionnel va défier le président Macky Ce n'est pas le conseil constitutionnel de défier le président de la république C'est le président de la république qui a défié le conseil constitutionnel C'est ça la on est en matière électorale là <laughs> mon gars on est en matière électorale donc en matière électorale ce n'est pas le président qui décrète n'est pas le président qui décrète un report euh, des élections. Mm. C'est le Conseil constitutionnel. Mm. En cas de force majeure, la président de la par exemple contexte mm. en cas de décès du président de la république. nan la conseil constitutionnel, nan la constitution prévoir ok prévoir. te délai boobu ce trois mois. même en cas de décès d'un candidat au premier tour au deuxième tour au deuxième tour nous nañu toxal élection l'élection au deuxième tour bu un candidat bi faatu le deuxième tour nous nañu toxal l'élection mais en cas de décès d'un candidat au premier tour la constitution nous avons continué continuer le processus électoral nous ko continuer au premier tour nous la loi, nañ ko continuer du arrêter mais waxuma caaxaan bii dit lan moo am fii ci diggante bi ba élection ci ma xam discours dafa am am ni que dafa am ay un groupe parlementaire bu déposé benn loi. Mm. ah wala mm. bu tuumal ay ni dañ leen lañu am ah. mm. waxuñu que c'est des faits réels maintenant bu fekkee maintenant dem euh, euh, euh, commission d'enquête bi ñu amul amul soupçon de amul corruption lan lañuy wax léegi. té ñoom reporté élection yi ba paré mais peut-être mo gëna a mais dédé gënul wóor gis nga commission d'enquête bala muy commencer gis nga euh, commission d'enquête bala muy commencer fay am ay preuves fay am ay ay preuves bala mu commencer les travaux de la commission d'enquête am na ay ay luñ koy lu ne comment dire. Euh euh, euh, euh, un débit de, de, de, de, comment euh, de preuve. Un débit de preuve. Mm. dafa am ce qu'on appelle un débit de preuve un débit de commencement de preuve autant pour moi loolu la loi un débit de commencement de preuve lolo moy qui commission d'enquête bi ci loolu lay sukkandikoo mu commencer la commission d'enquête mais ils n'ont pas un débit de commencement de preuve amuñu ko ñoom hmm. ay soupçon la am ay soupçon lañu am ñu ne dañuy reporter élection ci ay soupçon lolu moy caaxaan la élection kenn du ko reporter ci ay soupçon da ngay am une base réelle une base fondamentale de preuve Voilà un début de de commencement de preuve c'est-à-dire que nga andi leneen lo xamante nit bu bu si tegee dit, ah li, nañ ko saytu ba xam mën na ak réalité mais ils n'ont pas un début de commencement de preuve amuñu mm, ko mm. Nous avons décrété, dañuy décréter décréter un report d'élection <laughs> mais n'est pas caaxaan loolu en réalité moo c'est le seul conseil constitutionnel qui a le droit et l'habilité de réparer ce dégât Moi, réparer le pouvoir politique qui la causé lu ñuy c'est des décisions politiques qui n'ont rien à voir avec la loi qui n'ont rien à voir avec le droit on que, cest dit que c'est une que ngeen xam benn mbir actuellement au Sénégal on n'est pas en train de parler de droit. On est en train politique mm, mm. c'est des soubassements politiques. l'acte qu'ils ont posé c'est un acte politique. Mm. l'acte que l'Assemblée nationale a posé c'est un acte politique purement et dur qui n'a rien à voir avec un report des élections. c'est ça la réalité nous opposer des actes politiques ba pare nga ne ci yoy ngay sukkandiku pour nga reporter élection. Hmm. lolu dafa am. lolu moy mettre à nu la démocratie sénégalaise pendant des années et des années dans l'international Nous mom nous waccé la démocratie sénégalaise est à nu si des soubassements politiques yu jaru ko yo xamantene nous ay tiaxan la gis nañu des faits graves mais le processus électoral a continué on a vu des choses tellement graves que cette loi, l'Assemblée nationale au Sénégal, il y a combien de jeunes qui sont fait tuer Il y a combien de détenus politiques en prison, même si nous avons des collègues Est-ce que l'on doit un processus électoral arrêté Mais arrêtez où Mais quand on nous dit que Karim hein, il y a un groupe parlementaire qui a déposé une loi, proposition de loi comment on peut faire une proposition de loi qui n'a rien à voir avec la Constitution Bon, par exemple, ils osent dire qu'ils n'ont pas modifié la Constitution. Mais ils euh, l'ont modifié. Ils ont modifié la Constitution. Si nous abroger si la loi, si nous à l'Assemblée nationale, mettre en, vigueur, moi, madame, ils ont modifié la Constitution. À son article 27 et aussi à son article 103, euh, ils l'ont modifié. Comment on peut jonquer un mandat mais ils sont en train de modifier la constitution. Ils sont en train de faire une révision constitutionnelle hmm. qui n'est pas à son heure. Ils sont en train de faire une révision constitutionnelle qui, constitutionnelle qui n'est pas à son heure. Hmm. Hmm. Mais il faut arrêter ces magouilles-là. Moi, je conseil constitutionnel, qu'est-ce que c'est Parce que moi mot a habilité poser un acte de report des élections. Mais c'est pas un président de la République. Le décret-là, on peut l'attaquer. Hein. Ils ont attaqué ce décret-là. Amna ko bëgg yobbu sax au niveau de la Cour suprême. bi moko euh, attaqué exactement. Mané même le décret, euh, euh, le décret présidentiel est attaquable. Est attaquable. Oui, mën nañ ko attaquer Cour suprême, mën nañ ko attaquer Conseil constitutionnel. Ce décret présidentiel là. Pour ne le décret bobu c'est pas une loi. Décret bobu c'est un acte réglementaire là. Hmm. Et les actes réglementaires n'ont rien à voir avec les lois. Non, rien à voir avec les lois Lolo jaru jang droit pour nga xam ko wala bok ñu jang droit xam nañu